j'ai pensé que je peux aider mon pays parce que si c'est pour aller chercher des, résultats dans le je suis encore l'un des rares à avoir trois titres continentaux benn africaine, deux coupes d'Afrique je pouvais rester là et vivre sur mes acquis euh, protéger un peu mon palmarès mais l'histoire retiendra euh, que qu'on m'a sollicité pour rendre service à mon pays j'ai décliné pour mes intérêts personnels aujourd'hui je ne gagnerai rien du tout en prenant l'équipe féminine parce que si les résultats ne sont pas bons, je vais tâcher, un peu, entacher un peu mon, palmarès. Mais moi, je suis un homme de. Je n'ai pas dit comme tout le monde dit, je suis un homme de défi. Non, mais j'ai accepté de rendre service à une structure fédérale qui m'a demandé de, de, piloter les lieux encore avec des objectifs précis. On va en parler tout à l'heure à propos d'objectifs, parce qu'on est dans une situation intermédiaire. Hmm? Alors, mon premier assistant sera Elage Mamoucham Diop, actuel coach du Duc. Voilà, Elage. Elage Mamoucham, il a été champion d'Afrique. En 2015, avec moi, il était mon assistant. Deuxième assistant, Mbori Fall, ex-duc, <laughs> entraîneur de l'ASC Bob. Alors, je vais, je vais sur sur Mbodike parce que il y a un débat, un débat de couloir qui se fait. Euh, au Sénégal, tout le monde parle. Mais moi, dans ma réflexion, ma réflexion, ce qui guide ma proposition, qui guide mes convictions, c'est le terrain. Une personne qui prend une équipe, qui la prépare, qui va en compétition, qui gagne, qui perd, qui corrige, qui revient et qui est en palmarès. Ces cinq dernières années, ou bien même sept dernières années, dans le circuit féminin, Aucun entraîneur n'a fait mieux que Mourinho.